auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour à vous, ravi de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu de ce vendredi 7 juillet 2023. Où que vous soyez, nous vous disons merci d'être des nôtres. Je suis Ali Moukela Ouseni alias Seno et avec moi Rabi Mekano pour la présentation. Bonjour Rabi. Bonjour Seno, ça va et toi Je vais bien, Dieu merci. Bon, on profite de cette occasion pour faire un coucou à ceux qui assurent la technique de l'autre côté euh, de la vitre. Nous avons Kader Chambiano et euh, l'édition qui est assurée par Adama Dawaki. Alors Seno, quel est le menu du jour Aujourd'hui Rabi, nous avons prévu un menu époustouflant pour nos auditeurs et auditrices euh, actuellement escotés. Nous allons débuter avec un flash d'informations, puis un un bon cocktail de musique traduit moderne nigérienne. Du loti avec le desk femme du studio Kalangu. Du sport avec notre chroniqueur sportif Soumana Amadou. De la culture linguistique, sans oublier la revue de presse qui est présentée chaque vendredi. Toujours dans ce menu, c'est nous, nous recevons euh, dans notre rubrique invité du jour Monsieur Kakadari Ibrahim. Il est le président de l'association des jeunes scolaires pour la découverte des richesses environnementales nigériennes, AGESDEN. Avec lui, nous allons parler du fonctionnement de cette association. Notre rubrique Écho des régions nous conduira à Tawa pour parler du jardinage. Nous terminerons avec euh, les messages vocaux de nos auditeurs. Chers auditeurs, installez-vous confortablement car c'est parti pour euh, toute une heure de divertissement et d'infos. Sans trop tarder, je vous propose de suivre le flash d'information avec Mokhtar Hamadou. Mokhtar, bonjour. Bonjour Mokhtar. Bonjour Ali Moukela Ouseni. Bonjour Rabia Mekano. Le flash d'information de ce vendredi 7 juillet à présent en raison des erreurs graves décelées dans la formulation du sujet de mathématiques de la série D sur instruction du président de la République. Cette épreuve sera reprise pour les candidats de cette filière ayant échoué à cette session dans les jours prochains. Cette décision a été prise au cours du Conseil des ministres d'hier. Le communiqué du Conseil des ministres n'a pas donné des détails sur les erreurs qualifiées de graves ayant conduit à cette décision de reprise de l'épreuve de mathématiques pour la série D. Rappelons que les épreuves écrites du baccalauréat session 2023 se sont déroulées du 18 juin au 2 juillet 2023 dans les 213 centres d'examen du pays. Le ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification a fait une communication au Conseil des ministres d'hier relative aux préparatifs de la fête de l'arbre édition 2023 dont le thème central est Sauvegarde des, cuvettes oisiennes, un impératif. À cette occasion, une campagne nationale de reboisement sera lancée à partir de la capitale du manga Difa le 3 août, le jour même de la fête nationale de l'indépendance ou fête de l'arbre. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé les conclusions de la troisième revue du programme économique et financier du Niger 2021-2024, euh, appuyé par la facilité élargie de crédit et de l'accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité. L'annonce a été faite dans une communication du, ministre des Finances lors du Conseil des ministres d'hier. Selon le communiqué, l'achèvement de la revue permet de décaisser 26,3 millions de dollars US, soit environ 15,8 milliards de francs CFA. Le programme vise à renforcer la stabilité macroéconomique tout en jetant les bases d'une croissance plus forte et plus inclusive. C'est tout pour le flash d'information de ce vendredi. Merci Mokhtar, euh, à bientôt et très bon week-end à toi. Merci beaucoup. Voilà, chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous recevons euh, sur cette émission M. Kakadari Ibrahim. Il est le président de l'Association des jeunes scolaires pour la découverte des richesses environnementales nigériennes. Mais avant de donner la parole à notre invité, c'est nous Nous allons d'abord euh, écouter un hein, la toute première musique de notre playlist d'aujourd'hui. Il s'agit euh, du titre Chamadara de l'artiste Barakina Baon On écoute et on revient juste après. baraki na bawan Allah shama daren lilo dan baba da ko yake neman dala yake dan shi shama daren lilo mushe zuba yake neman kuɗi yake shi ma ya shama daren lilo waye gaya maka borno gabas take kai maka shama daren lilo in ka gani ta maka sha ta ka kai daka ba ta shama daren lilo kai yaro shama daren lilo kai lati shama daren lilo kai a shama Shama da lilo En yara ku sha samari ku sha en mata Shama da lilo In ka gani ta ka kai ka bata Shama da lilo En yara ku samari ku sha en Shama lilo ka ta ka kai ka bata Shama da lilo Ils font couper calés, on fait assomal le font même pas ta mise et ton équipe est fêlée Je fais plus la guerre, je fais que des bébés, ils sont plus à terre, ils sont tous enterrés L'argent n'a pas d'odeur, mais quand tu galères, ça se sent. Je suis bon qu'à niquer des mères, y'a ceux qui trouvent ça menaçant. Hey, je suis menaçant, pourtant je suis qu'à 10%. baba ka cuce mu kai da ka kai mu kwantagora kwantagora gari ne amma ba garin zuwa ba daga mai shan taba sai mai shan giya a kwance uwa wata ai uwa ta ce in ta mutu za ta min ciyo ba kombo ai fo danse ba den ai danse danse ko den fo danse fo buje fo danse ba den ko oh, den oh, fo shamadara lilo Shamadara lilo na cewa ya gaya maka bar na gabas take a sha lilo a majalimu mujhe kasa kabar na gabas take shayi ko kamar ruwa yake gidan haya ko da wuya yake mota haya ita ko hatsari take ke kama zanen ki ana miki leke sarki kawa ka ta kai mu ga soke a taka rawa ka a barka a keke har jani sama kake barni in lake hausa muke waka muke magana ce muke magana ce muke sauri muke ba mu zuma bar ma in zake bar mu je kasa in dora muke in ba ta kai muke in kara muke layi suke ta yi lodi muke musu rawa suke ta yi sauti ya kai musu da na bada guda ta ce man bata so sai na bada biyar sai na bada biyar ana nan ana nan sai ta kai mu gagab haba delu a bar haka kin san ba da son haka yo mi zai faru mi zai karu a barni in tai haka haba delu a bar haka kin san ba da son haka yo mi zai faru mi mi zai karu a bar dan baba da ko yake neman dala yake dan shi sha madaran lero mu shi zuba yake neman kudi yake shi ma ya sha madaran lero wa ya gaya maka borno gabas take kai maka sha madaran lero in ka gani ta maka sha ta ka kai da ka ba ka sha madaran lero kai yaro sha madaran lero mon bébé le bonbon médicament déjà lourd sha madaran lero Pablo Escobar, t'es le papa de la Chine. Anoa, Kalala, c'est le pro. samari In ta gani ta maka ja ta bata ta. Yan yara ku samari In ta gani Il faut danser, il faut danser, danser, danser, beaucoup de l'eau. Il faut danser, il faut bouger, il faut danser, il faut danser. Et oui, voilà, cher auditeur, Chamadara. C'est tout simplement le titre de cette belle chanson que vous venez d'écouter, chantée par l'artiste Barakina Bao, hein, l'artiste qui a été prévu, en tout cas, euh, nous avons prévu à ce qu'il soit avec nous dans ce studio aujourd'hui pour parler de ce trophée qu'il a remporté récemment de l'autre côté du Burkina Faso. Mais très malheureusement, euh, l'homme propose, DJ dispose, il n'a pas du tout eu le temps de pouvoir se présenter. Alors, nous sommes également avec notre invité d'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, c'est nous. Nous sommes avec notre invité euh, du jour, Kakadari Ibrahim. Vous êtes le président de l'Association des jeunes scolaires pour la découverte des richesses environnementales nigériennes, Gesten. Merci d'être les nôtres. Merci. Voilà, nous allons direct à notre première question pour vous. On aimerait bien que vous nous présentiez votre association. Ok, donc euh, comme vous l'avez déjà si bien dit dès le début, je réponds du Kakadari Ibrahim. Je suis le président de l'association des jeunes scolaires pour la découverte des richesses environnementales nigériennes. Donc euh, il faut le dire que c'est une jeune association qui a été créée en 2019. Je me rappelle encore lorsque j'avais fait mes premiers pas à la fac. Donc euh, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas avoir l'idée de s'aventurer dans les questions environnementales et tant de formations géographiques parce que eh, il faut le dire, tout celui qui fait un parcours, c'est-à-dire dans un domaine bien précis, surtout étant de formation d'origine, d'un aspect bien précis, il faut au moins en avoir euh, une question de voir comment s'épanouir. Donc c'était dans ce même cadre-là. Après, bon, j'avais eh, convoqué mes amis, mes collègues, je, leur ai dit, bon, mais on est là, bon, après la formation, on connaît tous parfois bien les réalités qui gangrènent notre euh, système, notre climat. Donc je me suis directement dit, bon, pourquoi ne pas avoir l'idée de mettre... Euh, et Sadra en œuvre une structure pour au moins qu'on puisse à dire euh, contribuer aussi dans le développement de notre pays. Donc ah. après ça, on a créé ça parce que je suis aussi le père fondateur, parce que c'était une idée émanant de ma propre personne, parce que au vu de quelques expériences que j'avais eues le collège euh, et le lycée, donc euh, je me suis dit vaut mieux de mettre ça en pratique. Mhm. Donc à ISDEN, c'est une structure qui intervient bien sûr dans la découverte des richesses environnementales parce qu'on s'est dit on ne peut pas protéger un environnement sans le connaître. Exactement. Donc on s'est dit vaut mieux d'abord de se donner, c'est-à-dire c'est c'est-à-dire se cacher d'aller d'abord découvrir l'environnement et comprendre sa nature. Mhm. Étant géographe, pour connaître au moins sa géomorphologie, <laughs> c'est-à-dire dans l'aspect en tout, entière entier, bon, tout entier autant pour moi, et bon voilà, voir comment, cest à s'incliner dans la question de la défense de cet environnement. Ok. Alors, quelles sont les activités que votre association organise pour sensibiliser les jeunes à l'environnement et à la découverte des richesses naturelles du Niger Comment ça se fait Comment ça se passe C'est plus des visites, c'est des études, euh, on doit fouiller dans les roches ou comment ça se fait Ouais, bon, euh, je me rappelle euh, quand j'essaie de faire un mea culpa, c'est-à-dire différentes activités, je pense bien qu'on a enregistré plusieurs activités parce que mm. je me rappelle bien à un moment donné, nous avons notre première sortie, c'était sur euh, le site, euh, sur euh, le site Parce qu'on mhm. que s'est dit, connaissant bien Kouré, Kouré c'est une réserve de biosphère, mhm. c'est-à-dire qui est déjà un patrimoine, c'est-à-dire pour notre pays, parce que étant connu par le club, par le club UNESCO, bon, par le club UNESCO, tant pour moi, par la, structure UNESCO en tant que telle. Mhm. ça a été reconnu à l'échelle internationale. Donc, on s'est dit, en tant qu'étudiant et aussi géographe de formation et aussi défenseur de l'environnement, pourquoi ne pas au fait mener des activités à l'endroit, euh, c'est-à-dire de, cette zone pour la découvrir. Et parfois, quand nous partons dans une zone, nous faisons tout d'abord pour planter des arbres parce qu'on dit tout celui qui plante des arbres n'a pas vécu inutilement. Donc, on s'est toujours donné, c'est-à-dire c'est euh, progressif de, planter des arbres et découvrir aussi la question, euh, cette question de l'environnement. Donc après, quand on était venu, je me rappelle bien, ce que nous faisons, euh, c'est-à-dire on fait des randonnées déjà de la zone et on essaie de faire des échanges, euh, c'est-à-dire sur des bengalos et autres là pour échanger avec les responsables du site. Et là, ils nous font euh, dit toute une littérature autour de la zone. Et juste après la littérature, on s'est dit, ah, allons découvrir maintenant, c'est-à-dire le merveilleux qu'il y a, mhm. c'est-à-dire euh, dans, la zone. je me rappelle, en dehors des cours, on en a été sur Zander, on en a été sur euh, l'autre sur Gaïa, on en a été sur Tawa aussi. On a fait pas mal d'activités aussi dans la commune 5 en plantant des arbres dans plusieurs écoles pour un peu revenir sur les questions de l'école écologique. Super. On va revenir sur comment vous allez impliquer les, euh, les scolaires dans, ce que vous faites. Mais avant cela, on va continuer avec euh, cette émission, avec la revue de presse qui sera assurée par Nafissa Adamou qui est avec nous dans ce studio. Bonjour Nafissa. Bonjour Rabi. Bonjour Seno. Bonjour. Alors, Nafissa, le président Mohamed Bazoum inaugure la nouvelle centrale solaire 30, 30 000 watts, c'est ça 30 je me trompe pas 30 mégawatts. 30 mégawatts, <laughs> voilà. De Gorubanda. de Gorubanda, euh, titre l'agence nigérienne de presse. En effet, Rabi, c'était le mercredi 5 juillet que le président de la République, Bazou Mohamed, a inauguré la nouvelle centrale solaire de 30 MW de Gorubanda, à 8 km de la ville de Niamey. Une nouvelle centrale qui, selon le président, contribuera à réduire une certaine dépendance du pays en matière d'énergie dans des situations de rupture du courant. La centrale de Gorubanda est construite pour un coût de 20 milliards de francs CFA avec le concours financier de l'Agence française de développement, de l'Union européenne et de l'État nigérien. Elle couvrira les besoins d'environ 70 000 ménages, soit 500 000 personnes de la région de Niamey. Pour rappel, le Niger importe du Nigeria à peu près 70 000 MW pour la région de Niamey. Cependant, le chef de l'État nigérien a souligné, je cite, que notre ambition n'est pas de produire d'électricité pour une quantité qui sera suffisante juste pour les foyers. Il nous faut avoir de plus grandes ambitions et produire de grandes quantités qui serviront à l'industrialisation de notre pays, conclut l'ANP. Alors, en visite au Niger, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité annonce qu'ils vont faire tout leur possible pour augmenter euh, l'enveloppe totale que le Niger reçoit pour euh, la période de 2021-2024, souligne le quotidien le Sahel. Et oui, le haut représentant de l'Union européenne, Joseph Borrell, a au cours de sa visite cette semaine au Niger annoncé que l'Union européenne va apporter un nouvel apport de 66 millions d'aides budgétaires directes au Niger. Dans la révision des perspectives financières, nous allons faire tout notre possible pour augmenter l'enveloppe totale que le Niger reçoit autour de 500 millions d'euros pour les années 2021-2024, a-t-il annoncé. Joseph Borrell a ajouté que le Niger est un moteur économique pour le Sahel avec un taux de croissance de presque 12%. C'est pourquoi l'Union européenne va continuer à appuyer le président de la République dans sa politique régionale de développement économique et sécuritaire. Clôture de la session des lois de l'Assemblée nationale. Le président Seini Oumarou se félicite du travail abattu par les députés, rapporte le journal en ligne Actu Niger. Effectivement, Rabi, les travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2023, dite session des lois, se sont ouverts le 6 avril et ont pris fin le mardi 4 juillet. Une trentaine de projets de loi ont été examinés et adoptés au cours de cette session, se rapportant notamment aux ratifications des ordonnances et aux lois générales, ainsi que la situation sociopolitique et sécuritaire nationale et internationale, ajoute à Actu Niger. Le président du Parlement du Niger, a indiqué que le bilan de la session s'enrichit particulièrement des textes de grande portée comme ceux relatifs à la révision du statut général de la fonction publique, du Conseil supérieur de la magistrature, de la loi minière, du régime de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que de plusieurs autres nouveaux textes non moins importants comme le projet de loi révisant la Constitution en son article premier pour adopter un nouvel hymne national. C'est la fin de cette revue. Merci, Merci euh, Merci infiniment. Chers auditeurs, nous poursuivons notre échange avec euh, euh, notre invité Kakadari. Il est le président, je rappelle, le président de l'association des jeunes scolaire pour la découverte des richesses environnementales nigériennes. Alors, Kakadari, comment euh, impliquez-vous les écoles et les élèves dans vos initiatives eh bon, voilà, eh, ce que nous faisons d'habitude, euh, parce que tout dépendra aussi de la nature de la activité, parce que eh, parfois, si c'est des voies d'études, euh, bon, connaissant bel et bien les fait la réalité du pays, parce que parfois nous nous trouvons dans une euh, obligation, parfois si c'est des voies d'études, voilà, bon, un peu d'inviter euh, les étudiants, c'est-à-dire à donner une serait que, c'est-à-dire des, petits, des petits sous pour que nous puissions des frais de, participation, effectivement, c'est-à-dire pour que nous puissions le faire ensemble. Et hmm. parfois, tantôt, c'est des activités comme des plantations d'arbres et autres là. Nous faisons tout dans parfois nos différentes propres fond via les activités que nous menons. Et ça donne une gestion au moins de rassurer les rafraîchissements et un peu parfois la bouffe avec eux parce qu'il faut le dire, parfois tu es obligé quand tu es dans, quand tu es dans une première phase d'une structure, tu es obligé parfois de faire ça sur ton dos. Donc après, au fil du temps, nous allons essayer de voir ce que ça donne. Bon, parce que parfois, on fait une note, on dit aux gens, bon, venez nous accompagner, autres là. Et les gens ont toujours, en tout cas, répondu présent, et surtout que ce soit les étudiants les scolaires. Et parfois, l'ouverture, en tout cas, avec euh, certaines écoles, comme je, je me rappelle bien qu'on a fait à Gengel, à et saint lorsque nous avons fait une activité de plantation d'arbres. Donc, euh, la faculté de lettres et de sciences humaines a mis à notre disposition un bus, un minibus avec en euh, fait, euh, lequel on était parti jusqu'à Gungel. Et toute la population, en tout cas pratiquement, avait répondu présent et plusieurs de nos enseignants-chercheurs au département, c'est-à-dire euh, bon, au sein de la faculté, parce qu'il n'est pas aussi seulement dit que c'est seulement ceux de notre département qui avaient participé beaucoup en avant, fait le, déplacement. Et ça nous a vraiment facilité la tâche parce qu'on dit parfois quand tu fais une activité, il faut toujours miser sur les ressources humaines, c'est très important. Voilà, maintenant on aimerait bien savoir quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans votre euh, travail de sensibilisation et de découverte. Bon, en tout cas, et personnellement, parce que parfois il faut le dire, hein, tant que tu n'es pas euh, accompagné, il y a toujours un souci, parce que parfois quand nous nous trouvons sur le terrain, Parfois, nous essayons de faire avec les moyens de bord que nous avons, mais parfois, quand tu fais face à, certains défis majeurs, mais en tout cas, Alhamdulillah jusqu'à présent, il n'y a pas un défi que nous n'avons pas pu relever. Parce que je me rappelle parfois, quand tu es en plein route, en plein voyage, le bus tombe en panne. <laughs> parfois, le seul souci, c'est vraiment la sécurité des, camarades avec lesquels tu te déplaces. Mais très bien, Alhamdulillah, on a toujours su surmonter tous ces états de fait en s'appuyant au fait sur ce que nous avons comme ressources humaines et aussi ce que nous avons, c'est-à-dire euh, comme, euh, comme mobilisation, c'est-à-dire autour de notre structure. Parce que parfois, L'autre aspect encore qui nous a en tout cas beaucoup facilité, parce que je dirais pas un défi, parce que tant que tu as les ressources humaines, tu as des personnes qui t'écoutent, tu as des personnes qui t'accompagnent dans une activité, c'est vraiment tout à fait idoine que tu puisses, avoir euh, une satisfaction. Ok, mais jusque-là, le, seul défi, peut-être, je peux dire, c'est au niveau administratif, euh, parce que jusque-là, on n'a pas notre arrêté, c'est avec euh, le récépissé qu'on essaie de booster les activités parce qu'il faut le dire. Hmm. Parfois, tu n'as pas juste à attendre parce que le récépissé te donne déjà c'est-à-dire euh, accès, c'est-à-dire la hein. possibilité de faire des activités. Parfois, c'est un peu, peut-être euh, au niveau de la dite, parfois des, ministères, parfois on te fait revenir et c'est un problème D'accord. D'accord. Alors, que diriez-vous hein, à d'autres jeunes qui souhaitent qui souhaitent s'engager dans la protection de l'environnement et de la découverte des richesses naturelles de leur pays. Ok, bon, là, à ce niveau, l'appel que j'aimerais lancer, parce qu'il faut le dire, qui dit environnement dit aussi la vie humaine. Parce que l'environnement, c'est une question de biosphère, pour parler un peu comme, <laughs> comme un géographe, c'est-à-dire, au fait, c'est une biodiversité qu'il faut, qu'il faut protéger parce que il faut le dire si vous conviendrez avec moi, parce que la question de l'environnement, c'est depuis les années 1992, avec euh, la première conférence de parti à Rio de Janeiro qui s'est tenue, c'est-à-dire euh, qui s'est tenue en fait entre les différents États, parce que les gens ont vite compris qu'il faut découvrir l'environnement, il faut le protéger. Et comme je l'avais dit tantôt dans mes propos introductifs, tu ne peux pas vouloir euh, protéger un environnement tant que tu ne le connais pas. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi depuis les années 2016 jusqu'à là, c'est-à-dire même la plus grande euh, réserve qui est la forêt de. l'autre là euh, la forêt de l'Amazonie a perdu plus de 37, plus de 17 000 hectares. C'est-à-dire en nos jours, vous voyez bien, c'est pour dire au fait, l'avènement de l'agriculture a fait en sorte que les gens menacent trop, au fait, c'est-à-dire les ressources que nous avons. Aujourd'hui, comme on le dit, pour parler un peu, peut-être comme un élève de l'école primaire, on nous dit les arbres nous donnent de l'oxygène. Vous voyez bien, donc il faut protéger l'environnement parce que ça donne déjà l'équilibre de l'écosystème. Donc si ces dernier est c'est un problème. Ok, d'accord. Merci, infiniment, Kakadari, d'avoir répondu, à notre euh, invitation. Et on souhaite euh, bon vent à l'association. Merci. Merci. Merci beaucoup. Chers auditeurs, on fait une petite pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. c'est l'heure euh, de la rubrique hebdomadaire. Oui, Rabi, nous sommes vendredi et nous allons parler entrepreneuriat de jeunes. Exactement, il n'y a euh, pas de son métier, à ton coutume de dire. Faire la cuisine est devenu un art aujourd'hui chez les hommes. C'est le cas de Ousmane Beidou Idrissa, un jeune passionné de la cuisine dès son bas âge. Écoutons-le au micro de Aïssa Hamadou. Depuis quand avez-vous commencé votre entreprise C'est un travail que j'ai commencé, ça fait 8 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette activité Ce qui m'a poussé à faire cette activité, c'est quelque chose qui me plaisait de le bas âge. La cuisine, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc du coup, après les études, j'ai un peu voyagé sur Accra. Là, j'ai fait une formation de 3 ans. C'est là-bas que j'ai appris la cuisine. Je suis retourné au pays je dis bon, pourquoi pas créer quelque chose avant d'attendre que quelqu'un va m'embaucher, pourquoi ne pas créer pour moi-même. Quels sont les avantages que vous avez eus dans votre entreprise dans la vie, dès que tu travailles pour toi-même et que tu, arrives à résoudre tes besoins sans autant demander à quelqu'un et la main, tout le monde cherche à être indépendant. Si tu ne dépends pas de quelqu'un, c'est vraiment intéressant. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre entreprise les difficultés qu'on rencontre, ils sont beaucoup. Par exemple, tu vois, dans une société, tu ne peux pas travailler seul. Et du coup, chaque fois, quand tu commences, il faut embaucher des gens qui vont t'aider. C'est pas tout le monde qui sait faire la cuisine aussi. Du coup, viens, tu les montres comment faire, tu, tu vas les apprendre comment t'aider. Une fois qu'ils commencent à apprendre, tu vas, ils vont te laisser encore. C'est vraiment fatigant et tu peux pas travailler seul aussi. Quel appel avez-vous envers vos amis jeunes Oui, moi ce que j'ai à lancer auprès des jeunes, de ne pas rester les mêmes croisés. Seul le travail peut. Il n'y a pas de sous-métier maintenant. Il faut te battre pour euh, venir à tes besoins. On ne laisse pas les mêmes croisés. Voilà, seul le travail paye, il n'y a pas de sous-métier. Juste après euh, cet entretien, nous allons souffler en musique et cette fois-ci avec euh, l'un des doyens de la musique HIPHOP nigérien. Il s'agit de Kamikaze Liman avec ce titre Enfant de la patrie. Un grand ami du studio Kalangu, hein Bien évidemment. On écoute. l'est à l'ouest, sud au nord. voit des plaintes, des cris, dans nos villes, dans nos villages. Vois-tu, on survit. Les coûts des taxes, des impôts mal non subis. Pourtant, je ne vois aucun manifestant dans nos rues. Allez, enfants de la patrie, filles et fils de ce pays. Uh-huh. Mets dans la main, allons changeons l'image de ce pays. Enfants de la patrie, filles et fils de ce pays. C'est l'heure du changement, début unis, ces choses acquises. Enfants de la patrie, et fils de ce pays, main dans la main, plongeons l'image de ce pays, Enfants de la patrie, fille et fils de ce pays. C'est l'heure du changement. changement, changement. C'est avec tant d'amertume que je sors ma plume. Pendant que les autres pays avancent, ici tout est brume. Les déchets consument, les politiques embrument. La corruption, tournements, des fonds publics nous brûle. Tant de recul, sans cesse qu'on accumule. De l'indépendance à aujourd'hui, vas-y fais le calcul. Parmi les derniers sur le plan mondial, dernière par rapport aux autres, notre capitale. Eh, le constat est triste, rien est brutal. Toute lutte n'est que pour des raisons politiques. Pathétique de voir tant d'élites qui à des moments s'est élevé pour le salut de cette patrie. Baisser les bras pour quelques francs pas Vendre père et mère voix, vendre terre et soi. Aucun présage de bien y mal sous nos doigts Aucun Niger de nous si on continue d'étouffer nos Allez, enfants de la patrie, filles et fils de ce pays. Uh dans la main, allons changeons l'image de ce pays. Enfants de la patrie, filles et fils de ce pays. C'est l'heure du changement, debout, ni ces choses acquises vent de la patrie, fille et fils de ce pays, main dans la main, allons changeons l'image de ce pays. Enfant de la patrie, fille et fils de ce pays, c'est l'heure du changement. changement, changement. Trop longtemps, plongé dans une espèce de léthargie. Vois ces mots, ces plaintes à chaque coin de rue. Aucune manif à cet personne ne réagit. Comment s'étonner que la misère soit un allié dans ce pays Tant d'injustices, tant d'abus sur tous les plans. Voilà Nigélec nous coupe à tout bout de champ. Les taxes, les impôts sont trop exorbitants. La cherté des denrées alimentaires trop extenuante. Eh, le Niger au Nigérien, un bien de ce pays à la nation au Nigérien. Pourtant, aucune transparence dans la gestion de nos biens. Sur le pétrole, or l'uranium, on est au courant de rien. Non. Chaque régime avec ses vices et tous complices. De Babylone qui sans cesse nous pousse dans des précipices. Faut qu'on se lève, tous qu'on mette fin à ces supplices. Faut qu'on fournisse plus d'efforts, plus de sacrifices. Oh, de la patrie, fille et fils de ce pays. Uh-huh. Main dans la main, allons changeons l'image de ce pays. Enfants de la patrie, fille et fils de ce pays. C'est l'heure du changement, des et ces choses acquises. Enfants de la patrie, fille et fils de ce pays. Main dans la main, allons changeons l'image de ce pays. Enfants de la patrie, fille et fils de ce pays. C'est l'heure du changement, du changement, changement. Pour le salut de cette patrie, nigérienne, réveillez-vous pour un Niger nouveau. Patriotes, tous debout, qu'on se lève, qu'on marche tous ensemble sur un même chemin, qu'on emprunte les voies utiles pour réaliser nos dessins Main dans la main avec la beurre on peut y arriver. Quand on veut, on peut. Prenons en main notre destinée. On en est capable, sache-le, car nous sommes dotés des armes nécessaires pour tout révolutionner. Faut qu'on arrête juste de se leurrer, de trop rêver. Cela fait trop longtemps qu'on attend tous l'arrivée un régime de président qui devra tout changer. Voyons de nous-mêmes que des dégâts enregistrés. Hein. Pas de sous pour les soins, tu crèveras dans ton coin. L'éducation publique aspergée de coups de poing. Une jeunesse dans la souffrance mise de côté. Quant à la justice, elle ne sert que les gros bonnets. Notre pays ne fait que basculer vers le pire. Impuissant de mort face à tout ceci. Aucun manifestant dans nos rues face à ces abus. Et tu t'étonnes que ces travers chaque jour s'accentuent. Pour des beaucoup avec le diable irondiné Yeah, conséquence. Nos peines, nos souffrances ne font qu'augmenter. Uh-huh. Une jeunesse instrumentalisée, manipulée, vincée par ces vieux loups qui jurent de ne rien lâcher. Tant d'inégalités, uh-huh. tant d'illégalités. Quelle démocratie clamée dans cette iniquité Kamikaze le grand, ah Kamikaze enfant de la patrie, <laughs> Kamikaze, c'est nous, il fait partie de cette génération de rappeurs qui voulaient vraiment bousculer les choses avec des mots. C'était pas juste des textes, c'était euh, des textes euh, qui arrachent, comme on dit dans euh, <laughs> voilà dans le <laughs> jargon. hip-hop. hip-hop. Big up à notre big bro Kamikaze depuis vraiment le studio Kalangu sur l'émission l'Université Kalangu. On lui envoie euh, plein d'ondes positives. Euh, on lui souhaite une suite, une belle suite de carrière parce qu'il ne s'arrête pas. Effectivement. Euh, Kamika, c'est vraiment l'un des artistes que personnellement j'apprécie énormément, Rabi. Après cette belle sonorité musicale, cher auditeur, direction Tawa pour parler du jardinage. Oui, c'est nous. Pendant cette période d'hivernage, à Tawa, la vente des plants d'arbres connaît une forte demande grâce à leur entretien facile. Selon Soumeila Soumana, président de l'association des pépiniéristes Gumbi, la plantation d'arbres joue un rôle essentiel dans la lutte contre la progression euh, du désert. Plus de détails dans cet entretien qu'il a accordé à Adamou Idrissa. aiki na dai rena itace kaga dai ga shi muna ta ciku muna niyyar shibka na irin itace wanda ke gare ku shibkoki yanzu suna kama kamar adadi guda nawa kuma ne irin kaloli ne ke gare ku eh, to itace dai kawai jimilla ana a samu kamar dubu goma nan ga na icce kala kala daban-daban daga filar har itatuwa dai daban-daban duka wani irin nau'i na gari muna da kamar irin waɗanga wanda aka ci wanda furi ce wanda aka ci akwai mangoro akwai lemun tsami akwai gwaiba akwai roman akwai papai akwai fam kanel, akwai tamaka eh, akwai dabino mutane yadda suna zakkuwa sayan wa'annan itatuwa ne eh alhamdulillah gaskiya ana zakkuwa gwargwadon hali dai ana zakkuwa amma kamar wanga lokaci dai mahi yawan mutane al'adance ma suka ganin lokaci na na shauka icce amma shi icce ko ne lokaci yana shauka shi menene ya sa mutane suke zakkuwa kamar daidai wannan lokacin muna domin sai itace yana daga sauki na wajen bai ice da wani sun iya zaka ne shi sai shi kwatamta ma kamar yanzu lokaci wanga ya an shibka icce ba dole na ba kullum sai a yi ta bashi ruwa wasu na profite da wanga lokaci na damana da ya ansa ice aksarin su dai suna kama eh tunda ga ruwan sama duk da suka samu ruwa sai ka iske sun kama a takaice dai mutane ba su da kokarin shibka garani lalle garani gaskiya ba a da kokarin shibka kamar wanga lokaci to amma kuma dai duk da haka nan gaskiya an dan samu dan ci gaba saboda gaskiya yanzu ana kula da shibke-shibke bangaren hukuma ko kuma su zaman kansu da watakila su kuma a wani lokaci suka yi mai da hankali da sai itatuwa gare ku to hukuma da sarwan kungiyoyi masu zaman kansu duk wani dai wani kokari nasu mahiya wanda za gani dai wanga lokaci na bayan shi da kuma daga shekara sai shekara na ma'ana to lalle su daga shekara sai shekara dai irin wanda za gani an zo an sayi jimilla haka mai dan yawa bangaren hukuma sai can baka rasa bayan ko sai aikace aikace cikin gari wanda za a yi ana zuwa a sai amma adadi mai yawa dai wanga lokaci na aka sai shi wannan ba zai kawo yalla ragani ba game da koko da ake nan gai da yaki da hamada a akwai ragani akwai ragani sosai to ba shibka a matsala ba kamar kula da su tun da galibin kamar iccen da muka reno na inda a ce ma duk an shibka su ana kula da su da abin gaskiya ya rage sosai to wani lokaci ana shibka amma wajen kula babu tattali tun da wani za gani ya zo ya sai icce ko ce bisa ta ce ga mai bukatar shi shibka icce la watakila kai da ki sana'a ta ce wace shawara za ka bashi domin ganin cewa dai ya girma da shi to shawara ta farko dai ice dama kama gida na yana son fondation to fondation kishi ita ta rami iya samu rami na kwarai lokacin nan na zai girki ya shi kama ta kwarai to galibin mutane akwai wanda sai ya zo yau shi kusan sai ice yau shi sa shi sai ka iske yar ginar da wani ya yi ba ta iya ta mu ice shi ko ice ana so a yi mai gina mai kyau sai a sa mai kasa kamar in mataccen wuri na haka ana iya amfani da taki kasa da taki kamar irin wanga to za ka gani ice ya rayu da kyau kuma cikin lokaci kaɗan wani sai ga zai iya sai ice amma sai ga wani ya ce gidan sauri zai sa ko wani abu dai an ka gare abin da wanda an kai dai sai gare abu bai yi ba dai hakan yaya farashin ko wani gutsu ice to farashin su daban-daban na dan saboda cikin waɗancan da ni ga ma wancan wanda ake cewa furice na. su akwai wanda grefe na kuma akwai ordinaire to kuɗin grefe daban na ordinaire daban yanzu misalin mangoro grefe muna sai da hinan shi biyu e original muna sai da shi dari uku to goyab ita ma akwai grefe ana sai da zuwa dari biyar ita ko can original dari uku ake sai da wannan aikin yana ci da mai shi mun gode ma Allah alhamdulillah wanga aiki dai mu dai ya muna komi da dai duka larurin mu cike muka yi kaga har mai gadi wurin ga mu biya ne kuma ga ruwa muna biyan su eh, ba mu da wani aiki mun gade shi na ga oyan mu kuma mun rike shi kuma dai ya biya muna bukata tun da dai babu dai wata matsala dai irin wadda za ta tasowa dai ba mu yi maganin ta ba dai cikin wanga aikin nan Cher auditeur, onu signala Adamu Idrissa au bout du fil. Adamu ina kwana? Ah, lafiya limimi muna lafiya. Lahiya lau Adamu yanzu muka ji rahoton naka. Masha Allah. To Adamu muna son mu sani yanzu kamar anaka ke zancen wannan sayar-sayar plankin itacen abin na bunƙasa. Masha Allah. Muna so mu sani mutane suna yawan zuwa saye kamar anda kuke kwatanta hakan ga kuma suwaye wai wanda suke yawan zuwa sayan. to masu yawan zuwa sai dai su ne al'ummar gari mm. da wanda ke da burin dai kokowa da yakin da ake nan gai da hamada mm. akasari suna zuwa saye musamman lokacin gana damana yan takama saboda mutane suna ganin kamar dan saukin zai zo musu ba a ba da ruwa ba a komi shi su suka zaɓi wannan lokacin to har yau mm. haka dai ayyukan suna tafiya dai hakanan dai hakanan dai amma ba tare da sun ci magurin suka nan gaba kada ba kowane lokaci. Oh, kamar na kai ne ko ko dai gidaje ne da ake siya ana sama. Masu garake masu gidaje. Duka suna zuwa sai. An so ma ginawa ana bukatar a sa itace cikin su. Duk su mm. ne ke bukata suke zuwa na wurin da na suna sai wa'annan itace. To yanzu kamar yanzu akwai wani dan sauyi haka kamar yanzu aka zo garin tawa ana ganin wurin kamar akwai dan tsanwa tsanwa <laughs> ko ko dai har yanzu dai to sani sani dai. to lalle dai akwai sauyi mine ne kawo sauyin kamar kun ga yanzu mutane sun dan mai da hankali da sha'ani da gawayi an bar kone-kone itace an bar sare-sare nasu sai dai kokarin shifta da suka rage kuma in ka biyo bisa da santoci da dama musamman hanyoyi mai mai hanyoyi an shifka itacen nan mm-hmm, mm-hmm. mutane su da kansu ka duka ruwa su bada ba sai su yi ma'aikatar da'ira ta zo ta bada ruwa ba to kun ga na wannan shi yasa itace suka ta haɓaka kuma in ka yi cikin dajin misali a ce na kusan gari ba nisa dai haka wurin duk zo za ka gani itace suna ta haɓaka in ma mutum ya ga gusun ice shi da kai ne tattali ne yana ɗaukar ruwa duk lokacin da ya gona sai sai ya kai ruwan nan ciki ba hmm. a to abu ya yi kyau kenan to adamu mun gode kuma muna miƙa gaisuwa mu ga dukka al'ummar tawa da ke shura nan ba su kama wannan shirin sai ba kwana biyu <laughs> mun gode sosai merci beaucoup À présent, chers auditeurs, nous arrivons au sport et Soumana Amadou est avec nous dans ce studio. Bonjour Soumana. Bonjour Soumana. Bonjour à tous. Nous allons parler euh, du tournoi de volleyball de salle organisé à Niamey. Oui, il s'agit de la Coupe des Nations des moins de 23 ans de volleyball de la zone 3 qui regroupe 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Niger, le Nigeria, le Libéria, le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. La compétition qui se déroule euh, au palais du 29 juillet de Niamey a débuté le 5 euh, juillet, donc mercredi passé, et se poursuivra jusqu'au dimanche. Les deux équipes euh, nigériennes, à savoir garçons et filles, ont déjà joué leur premier match. Pour plus de précision, écoutons Isifu Isaka, le directeur technique national du volleyball. Ça fait quand même un bout de temps qu'il n'y a pas eu une compétition dans les catégories inférieures. Donc euh, le Niger a eu quand même le privilège d'organiser à moins de 23 ans. Et vraiment, euh, ce qu'on a remarqué, c'est très bien les niveaux. Et je pense que tant qu'on continue dans cette lancée-là, on va sans doute relever les défis au niveau continental. Parce que euh, quand même, dans un premier temps, il s'agit du pays de la zone du, du continent. Donc euh, si vraiment on continue avec, euh, dans cette logique, je suis sûr que d'ici peu, on va quand même ressortir de très bonnes équipes qui vont représenter et nos pays et notre zone. La dernière fois, ça a eu lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc c'était en catégorie senior. Donc pour cette fois-ci, c'est en catégorie moins de 23 ans. Donc tout dépend du chronogramme de la zone. Parce qu'ils ont aussi euh, un chronogramme qu'ils établissent chaque année qui va parler un peu des différentes compétitions qu'il va avoir et les catégories, et que ce soit en beach volley ou en volleyball de salle. Hier, quand même, le Niger a joué, donc les dames ont malheureusement perdu. Et les garçons ont gagné leur match, donc ce n'est que l'entrée de la compétition. Donc euh, il faut attendre peut-être euh, d'ici la fin de la phase éliminatoire pour pouvoir euh, se prononcer. Mais pour le moment quand même, tout le monde est dans la compétition. Parce que jouer juste un match, le gagner ou le perdre ne veut pas dire qu'on est en bonne position. Eh bien, donc euh, c'est tout pour aujourd'hui. Merci bien Soumana, à bientôt. Ah, merci, à bientôt. Voilà, chers auditeurs, il est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour, n'est-ce pas, Seno Oui, Rabi, le portrait de ce vendredi euh, nous amène dans le manga, précisément dans la ville de Difa, à la rencontre de Halima Hamza Haruna. Euh, c'est une jeune femme technicienne à la radio alternative de Difa, euh, un métier qu'elle a intégré par passion, suivant son entretien avec Asumana Aboubakar. abin da ya sa gaskiya na shiga harkan teknik saboda yana burge ni kuma halau da naga babu mace ko ɗaya da take yi shine abin ya ƙara bani sha'awa sai na ce to bari in yi to kamar cikin wannan technique ya ne kike hulɗa da abokan aikin ki sura maza a gaskiya alhamdulillah tunda muna gane ma juna da su ko na ga abu in ban gane ba ina tambaye su suna ƙoƙarin su ganar da ni to kama cikin wannan tafiya ta aiki wani matsaloli da matsaloli ne kike samu eh to gaskiya babu aikin da za a ce babu wani kalubale da ake fuskanta amma ni gaskiya kalubalen kamar kafin in koya ne shine kawai kalubalen da na fuskanta wani lokacin in aka zo ko aka ce in hau in za a yi wani journal ko in yi haka nan gabana yana haɗuwa haka ina karkarwa sai yi ce mini kawai in sa a zan iya kuma sha Allah kuma sai kuwa. wani kira ki da ki ga yan uwanki mata haka bisa wannan aiki na jarida su kuma kote technique gaskiya ina kira yan uwana mata da su dage su nemi aikin yi musamman ma harkan taknikin nan tunda a gaskiya ina ga babu mace ko ɗaya ni kaɗai ce kuma ya kamata a ce su ma mata ka su zauna a bar su a baya su rinka shigowa ana dama da su. To nan zuwa gaba wani buri gare ke cikin wannan aiki? Gaskiya burin da gare ni ma ina so in ga na kore sosai a ciki har ni ma ina koya ma mutane shine buri na da nake son cimma a nan gaba. To kamar kina da wani kira haka ko wani abu da zaki gaya mutane? Eh to a gaskiya kiran da zan ma mutane shine tunda a hanya in aka ce wani yar kamar tana harkar jarida sai a rinka cewa kai mace bai dace ba tana harkan jarida ba ma jarida kaɗai ba ayyuka da dama wannan mace ko tana so ta yi ba a goya mata baya sai a ce ai wannan aikin bai dace da mace ba na maza ne gaskiya ina kiran mutane su ringa karfafa ma mata gwiwa musamman tun a gida mace in ta ce tana son ta yi abu tun a gida kamata a karfafa mata gwiwa Merci bien Asmana Boubaka pour ce euh, portrait de Halima Hamza qui, on espère bien, va inspirer plus d'une jeune fille. un dernier tour en musique. Euh, nous allons remonter un peu le temps, c'est nos musicalement parlant, avec ce titre Bori de la grande incantatrice de Bori de l'Arewa, Feu Tagimba Bouzou. Elle est originaire du département de Douti et euh, de son vivant, c'était une star hein, de la musique de possession. On l'écoute. On l'écoute alors. <laughs>

ko wanda diyan na teku a haki yalla dauka wannan ruwa ba ta da ki masa kai ne bar mu dan wuta a duniya Allah kawo mana lahiya nau Allah tiya mana tiyo Voilà, Tagimba, Bouzou, n'est-ce pas, euh, Rabi C'est un titre euh, qu'on dédie euh, à tout la population de la Réoa qui nous suivent en ce moment sur cette édition. Et mhm. personnellement, je le dédie à ceux <laughs> de, l'équipe du studio Kalangu qui sont à toutes les femmes du studio Kalangu, n'est-ce pas Voilà, voilà. <laughs> Alors, Rabi, on passe au loti, n'est-ce pas voilà, c'est nous. Euh, le loti du desk femme du studio Kalangu parle aujourd'hui euh, du risque de laisser un puits ouvert dans une concession. En effet, au Niger, plusieurs maisons disposent de puits et souvent ces puits ne sont pas couverts. Quels sont les inconvénients liés à la non-fermeture des puits dans une maison où des enfants jouent Écoutons cette discussion entre Samira Rouafi et Rakia Arimi c'est loti, C'est c'est C'est Loti. beda si jingi jig bodin ce mata kan adona ramu ramu ramu irkoi mai no goga ke son kina wura ha zari san ke wura ha ba ramu ifo no ni goga te fuwara ni izo go fi filora ha kai ni gicin diya maskan da yora ifo subhanallah. <laughs> habibu habibu mana diya sai mana ma nan ka tiyan boba ingida ne ya irkoi he ai sabuni se irkoi hinno ga bai hankan ga hingite da man kan ai duka lokaci wadin ga ai ka gagar da yo jarga a goce ci jing foga gina zo sambu kan kan da ga kai ni gicin diya mu koi ha kwen don da kan aga wallahi kan singa bai zan ba ku si filora hey irkoi ai sabun si don da kan da yau dirra ifo ne gine bo si son wo kai dai irkwai na halasaiti haikul manduwa amma ga mu ai singa faham matkin senoni ginga kwaci kai na na habibu ne ha windo a ago fogo kwen nik be kan akan gwanda da man dabu wani wallahi ni begi no gagan sewin dora gadin si gaba. hmm. ami wallahi ni gaba inda no goga kani ne wa hal girbo gai sambu wati kulmo inda no ga zari girbo wote Kwen ne mo ni gaba amon bai kwai da yo dindo hmm. da yo san no bonde ni gabai kan wati kulne ai gwai zo lakkalai kendi hadde an ture hangandi am kinga dabu asima asidin gamu ai ma ni gicim amma nin no himga da da yowo da buyon wat kulkan cine gaban da ba dai bofon da mu koi dai dini bon se halin da boli mana dabu kwai ne ai sibabe an kan na hungo ga tede da window wora son zamanu wora kan pompo ne anan kula agan bumbo pompi ga gan se window wora hmm, habibu baba watu kul daidai na sai imu da yowo wi dai amne se ha inga gaba anga mu foraji te ya bonno inga sawi haka hannu no foraji te ya amma himga bere ko ne ha am bai fonda ki gana hmm. hali foraji singi windira amma hal wadinka nihim ga da yowo im ceci shi yajino wala haifo ima dabu forajo ma ga hagom dugi bori da zan kai mbo halla siyan wose hmm. anai se inga ni ce han bagar agoba tuno halim ga hayo wote to aga bori amma wallahi ni se nim hagoyda ko ci an bori hali ga dugi forajo wo banande insha Allah insha Allah ami ay bumbo day bonno ga cingir da yo guna hal da akka ga furajo wo goyo te ay bumbo day bonno gate guna ko sai kale ledin yankan kan da yin kwa mboda. baro nan ai se ay bumbo ila kala kultunu me ay sabu ni se wallahi ay sabu ir ko sai mo kan ni kali bumbo ga di hayawo don ay go nodin ga girbe mun babai hankanti Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangouko, animé par Rabia Mekano et Ali Moukaila, Say No. Dans ce studio, nous sommes aussi bien en compagnie d'Alamin Wachar, il est journaliste traducteur en langue à au studio Kalangou. Aujourd'hui, avec lui, on va découvrir ce que signifie l'expression pulvérisation des champs en français et en tamashek. Bonjour Alamine. Bonjour Rabi, bonjour Seno. Bonjour. En cette période de campagne agricole, les agriculteurs pulvérisent leurs champs afin de protéger leur culture contre les ennemis de la culture. Et action de réduire une matière en particules très fines, un liquide en brune ou un solide en poudre. Une action pour détruire qui tout ce qui peut entraver la bonne marche de la culture. غادي المعنى آه، اني آه، انا غالوي توجي مجلان آه، فلا توجاس ارات يتاوغو سي السباب نعكاز انتنبلت يعني يكرزان يمو صارت يتاوجو فلا تاني توجاس دغرت كل ويقراني كنكرا ما دا شي وكه وين شين نفرقني انا دخشدنا تا تا كريستين مريتنا نو تامبلتين غامان دغامان مدي ايقا دغاقيل is isoo hena zifnazan aratan kuuliyon warnahan yamadrornen tatinen tagrist yemo sarat itawagu yarad kuulwa ziqala nallid antatenen maran antikrist Merci euh, Alamine Ouachar, Tani Mert. Chers auditeurs, euh, si euh, vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, ou en tamashek euh, en full full day, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Écoutons ensemble les messages vocaux de nos auditeurs. abubakar abdul ge tema jodi do gendi agades mid mi hokka ra'ayi am do studio kalangu siriji mabbe no wodi sanne e men e me nana beldum majji hakko shirdum dum yata tus ala fada men gidi be omta chaniji der gendi niger fu der sous région bebe da gindi bebe da shaniji sosai suna na garje mai askin karago a nan garin bande ni mai sauraron gidan rediyo cidiyo kalangu a bisa da ariyar gidan rediyo ikirawa abin da yake burge ni wannan shirin na matasa da kuke yin shi sosai yana burge ni ana sauraron shi ina gaida audu ramman yayi wanda yake garin alhaji kadau ina gaida abu kwanci wanda yake nan garin bande ina gaida ilu na ayyaya garin kadau sunana lawali tasu gaskiya labarin su kalangu muna jin daɗin shi kuma babu redon da muke saurare kamar stereo kalangu kuma muna jin daɗin shi sosai gaskiya muna jin sosai muna jin daɗi fiye da ba mu tunani saboda gaskiya yana mana daɗi sosai sai dai kuma muna fatan Allah ƙara muku arziki kuma Allah musu ƙwarin gwiwa yin wannan abubuwa sunana ajiya rikiya garba mazamniya anguwar mayanka to yanzu abin da ya burge ni bisa cikin harka emission ɗin gaskiya mun ji daɗi na studio kalangu gaskiya ra'ayinsu da suke gaskiya ya burge ni sosai ma tunda biskan harkar rayuwa na mata da na matasa ne kenan wanga abin ya kamata a karfafa shi yau ma ba ma mata ba matasan ga na zamani gaskiya ana son binkice a saman su kuma ana so sosai ma a waye musu kai tunda yanzu in musamman in kika ɗauki harkar shaye-shaye yanzu yanzu yara daga shekara sha bakwai kika ɗauka zuwa 35 gaskiya haraka sai dai mu ce dai alhamdulillah Allah dai ya kare za a ci kuma sai dai addu'a amma yanzu shayi ya yi yawa ki dauki da fannin ekwal daga fannin a cikin gari abin alhamdulillah sai dai a ce dai godiya ta tabbata ga ubangiji yara sai addu'a ni dai ina fata ga studio kalangu su ƙara wanga emission yin a ƙara ba shi ƙarfi a ƙara ba shi ƙarfi tunda bisan matasa ne kuma in aka ce matasa su ne garkuwar rayuwar al'umma. Sunana Basiru Rabiu. Eto eh gaskiya labaran studio Kalangu sosai muke sauraron shi kuma mun gamsu da shi dari bisa dari saboda ta bangaren shi muke samun labaran da suke zuwa suna zuwa. Eto eh a gaskiya labaran nasu babu wata jita jita labaru ne na kwarai na gaskiya da gaskiya saboda mun gamsu da shi sosai mun yarda da duk abubuwan da suke gai gaskiya ne shi ya muke sauraron shi kuma muka inganta shi sosai. Ina sauraron Kalangu ta hanyar rediyon Igirawa wannan shirin da suke na mata na wayewa kai iya birge ni inda hali a kara mai lokaci gaskiya na birge ni wannan shirin kuma kamar shirin da suke hudin lambobin wannan nasu halla ko suna hudin lambobi suna cewa a kiraye su ta wannan shi ma wannan iya birge ni gaskiya yana yana ƙayatar da ni ina gaida majar kinmu Aminu Mayana a magariya ina gaida yan gidan rediyon Kitari da haɗin kai to kuma a nan bandi ina gaida Alhulani Hatsuma Chers euh, auditeurs du Sud Kalangu, euh, l'émission, cette émission, c'est aussi et surtout la grande édition du soir, les journaux en cinq langues et notre forum quotidien. Et justement, nous sommes avec euh, Nafisa Sirufour, le bonjour. bonjour notre collègue chargé de présenter le journal en français. Alors, quels sont les grands titres de ce soir alors Rabi, pour ce soir, le haut représentant aux affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne, qui est en visite cette semaine au Niger, s'est rendu hier à Agadez. Des précisions sur son déplacement sont à suivre dans nos éditions du soir. D'importantes quantités de drogue de plusieurs millions de francs CFA ont été saisies par la police de Matamé. On en parle également dans nos journaux du soir. Et le rôle de, la, de Yadeida ou marraine de la mariée de la tradition magari est à découvrir dans le magazine du jour. Et n'oubliez pas le forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine. À ce soir alors. Merci Nafissa. Nous sommes à la fin de cette euh, édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Rabbi Mekano et moi-même Ali Moukela euh, alias Seno. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour le lundi avec un nouveau numéro. Très bon week-end à tous.